Tous les pays sont aujourd'hui engagés dans le processus de vaccination pour protéger la population contre euh, la Covid-19. À l'instar des autres pays, donc le Niger aussi euh, n'est pas resté en marge. Nous avons entrepris euh, plusieurs démarches pour l'acquisition des vaccins. la première démarche, c'était donc d'aller vers la plateforme mondiale qu'on appelle la plateforme COVAX, qui a mis à la disposition de tous les pays euh, des doses de vaccins en vue de réguler et d'assurer l'équité d'accès aux vaccins. Donc euh, c'est ainsi que le Niger a, eu effectivement la, chance d'avoir euh, d'avoir été pris en charge en grande partie ou en j'allais dire en, une proportion acceptable parce que la COVAX a donné des proportions au pays. Euh, à hauteur de 20% de la population en termes de vaccins. Donc euh, le Niger a pu accéder donc à ces 20%, mais ça ne couvre pas euh, les besoins globaux du, du Niger. Pour avoir assuré une immunité collective, il va falloir aller au-delà des 20%. Donc c'est ainsi que nous avons fait un exercice. On était au départ dans la première demande que nous avons faite à 47,78% de la couverture. Mais après euh, toute réflexion en faite, nous nous sommes rendus compte qu'avec euh, les 47%, nous n'allons pas pouvoir garantir cette immunité collective. Il va falloir aller au-delà. Donc c'est pourquoi nous avons revu notre, euh, nos besoins à, la hausse pour aller à 64% de la couverture nationale, donc de la population nationale. C'est pourquoi aujourd'hui nos besoins sont aller au-delà des 47% que nous avions initialement introduits euh, introduit à la, demande donc, euh, de la COVAX. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de, j'allais dire, euh, pas d'annonce, mais déjà d'acquisition, de démarches d'acquisition des vaccins. rien que COVAX nous a déjà octroyé 1 872 000 doses de vaccins. Nous avons d'autres partenaires aussi qui nous ont accompagnés, notamment la Chine qui nous a donné 200 000 doses. il y a bien d'autres pays qui sont, qui sont annoncés, qui sont en train de venir. Euh, ces 200 000 doses de la Chine vont bientôt être euh, déjà récupérées. Nous allons dépêcher un avion à partir de, de qui va à Pékin pour le récupérer euh, dans les prochains jours. Également, les 1 million 200 qui ont annoncés vont bientôt être récupérés. Donc nous espérons que dans les 10 jours, 2 semaines tout au plus, nous allons pouvoir euh, disponibiliser les vaccins au Niger. Et ce n'est pas seulement d'avoir les vaccins, mais il y a toute, euh, une machine qu'il va falloir mettre en, route, notamment en ce qui concerne euh, la préparation. Il faut des messages, des messages et des messages à la loi des populations pour amener la population à y adhérer, parler effectivement de l'avantage de se faire vacciner et aussi parler au cas où il peut y avoir toujours, il n'y a pas une molécule qui est administrée dans un organisme qui n'y ait pas de réaction. Donc là également, il va falloir qu'on sensibilise la population euh, sur les enjeux de cette vaccination, sur l'intérêt de se faire vacciner et éventuellement s'il y a des effets secondaires, comment les prendre en charge. Donc euh, là, nous avons déjà fait un travail avec le ministère des Finances. Nous nous sommes entendus sur euh, ce qu'il va falloir rapidement mettre en route comme activité prioritaire avant même l'arrivée des vaccins. Donc nous sommes déjà là-dessus. Nous avons euh, arrêté les, principales étapes, les principales activités et que nous sommes déjà en train de dérouler. Donc bientôt, vous allez déjà voir euh, sur euh, vos médias, sur, les antennes, des messages qui vont passer dans le sens donc, de sensibiliser la population pour se faire vacciner. Donc vraiment, nous sommes, j'allais dire, dans les préparatifs en plein et espérons que dans les tout prochains jours que nous allons devoir commencer cette vaccination-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des sites qui sont également euh, préparés Et ces sites-là, on sait très bien que le Niger, c'est huit régions. Est-ce qu'il y a une répartition régionale qui a été faite Ou bien il y a une partie du pays qui va avoir le monopole du vaccin Vous savez, euh, le Niger, nous, nous avons une tradition de vaccination. Nous avons organisé plusieurs campagnes de vaccination. Donc vraiment, on est routiné dans l'organisation des, vaccinations, qu'elles soient orales ou injectables. Vraiment, euh, les équipes sont rompues à la tâche. Euh, nous avons déjà un plan de distribution, un plan de distribution en termes de disponibilité des chaînes de froid. Donc au niveau de toutes les régions, nous avons déjà fait l'évaluation. Elles sont capables de recevoir les quantités de vaccins nécessaires pour assurer la vaccination. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport aux stratégies. Les stratégies vont dépendre des groupes cibles. Les groupes cibles à vacciner, nous avons les personnes de santé, nous avons les, personnes âgées, nous avons les personnes avec des comorbidités. Donc, ça peut varier en fonction. Il y a aussi les migrants, il y a, des personnes déplacées. Donc, ça dépend des cibles. Et selon ces cibles-là, nous allons effectivement ou aller vers les camps des, des réfugiés, ou aller vers les centres de santé, les structures de santé, faire les vaccinations à l'intérieur. Mais au-delà, dans les milieux reculés, on sera obligé de dépêcher des équipes mobiles. Donc il y aura des équipes fixes donc, dans les, différents sites, mais il y aura aussi des équipes mobiles et avancées qui vont aller trouver les populations euh, chez elles pour les vacciner. Donc vraiment, toutes ces dispositions-là sont déjà prises. Euh, nous attendons seulement que les vaccins euh, arrivent et ils vont arriver, Inch'Allah, dans les meilleurs délais. Une dernière question pour vous, M. Lazier. Parmi les citoyens que nous avons interrogés récemment sur le vaccin sur la Covid. Il y en a qui disent que au cas où la vaccination devrait commencer, il serait souhaitable que les autorités soient les premières à se faire vacciner, comme on le voit d'ailleurs dans d'autres pays sur le continent. Avez-vous déjà le nom de, du premier qui sera vacciné Non, ça n'a pas besoin de donner le nom. C'est clair que dans le programme même, on a les administrations qui vont être vaccinées, parmi les cibles. Et les premières personnes qui vont être vaccinées, et qui ont besoin d'être vaccinés parce qu'ils ils sont en contact permanent avec euh, du public, c'est les autorités. Il faut les protéger. Et elles vont le faire. Elles vont vraiment donner l'exemple et amener, appeler les, populations effectivement à se faire vacciner. Donc pour ça, là, nous n'avons aucun doute. On sait que euh, nos premières personnes qui vont être vaccinées, c'est les autorités et c'est nous, les techniciens, les, les, les, les, personnes euh, qui sont en contact, les personnes de santé qui sont en contact avec, euh, avec les malades qui vont être vaccinés. Et après, on va déployer au niveau de tous les autres groupes cibles.